ce n'est pas uniquement euh, les podiums, les beaux vêtements, les belles filles perchées sur des talons. La mode, ça sert aussi à faire passer des messages forts et impactants. Hey. 19. L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérienne. Ma chère pour la prospérité de la culture présente, l'artiste s'exprime. vous, vous rappelez certainement de ma Biba. Elle répond au nom de Biba Conche. Elle est née à Fandou en 1982. Elle père de la mode. Elle est nigérienne. Elle a représenté vaillamment les couleurs nationales hors de nos frontières. Elle est tout le temps au pays pour apporter sa part de contribution pour la nation toute entière. Fraternité, travail, progrès. Elle a haussé et hissé le drapeau, l'orange, le blanc le verre et le disque au qui représente vaillement le soleil. Hier, sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Srim. Alors aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de mode. Vous êtes jeune, ça vous concerne certainement. Vous kiffez cette émission parce que vous êtes la cible de l'artiste s'exprime. Issu de l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne et aussi mondiale. Mabiba. Oui on te connaît déjà. Hier, tu étais avec nous. Donc, euh, nous sommes jeunes. Hier, c'était vous, vous, vous. Mais je considère qu'aujourd'hui, on se connaît, on est jeunes. On peut se tutoyer. On peut. Super. Donc, tutoyons-nous vivants, comme on dit. <laughs> Mabiba Dondi La Machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur l'artiste exprime. C'est toi qui es au cœur de l'événement. C'est toi qui es au cœur de l'artiste. C'est toi l'artiste. Parce que tu crées. Et la mode aussi n'est pas du tout chose facile. Vous avez commencé par un message, un message très très fort. On a eu déjà la définition de la mode, si vous voulez, en première partie d'émission, qui veut dire vêtir euh, avec une tendance. Mais vous voulez passer un message. On vous a vu débarquer au Niger euh, récemment, avec, euh, n'est-ce pas, un autre esprit, une autre philosophie. Mode, nature, mode, environnement. Parlons de ce concept. Parlons d'abord, bien évidemment, de ce que, hein, de manière, pour rappeler, de ce que Mabiba fait déjà la mode, c'est important. Mode vestimentaire, mode. Euh, expliquez-nous un tout petit peu. Les jeunes ont envie de savoir. Mabiba est une marque éco-responsable. Éco-responsable. Éco-responsable. C'est quoi éco-responsable en termes fada En termes fada. c'est se tare kware ma quoi? Facteur c'est Fatir quoi? tare kwa faman c'est un ir mbayi kati genre éco-responsable éco responsable sanga irga Hawaïda matières matière qu'on utilise dans la création euh, de nos pièces. Ah. Donc on favorise beaucoup plus des matières euh, euh, facilement dégradables. Ah. On utilise, on fait aussi beaucoup de la récupération pour ah. donner une deuxième vie euh, aux vêtements, euh, aux matières en tout cas, au lieu que ça soit jeté dans la nature, mm. souvent on fait de la récupération. Ça permet de mm. donner une deuxième vie. Ni Voilà. voilà. Voilà. Sanga misali ga, borfomo imine recyclage. Ah, ni dit voilà. Ne que qu'une femme de ça, mon femme va. Attends, allez faire la non. Maintenant voilà non. Ma biba. Mm-hmm. Mode. Mm environnement mhm. message mhm. ça fait m E M. donc il y a même. Mhm. Il y a mon concept semble même. Mode environnement. Voilà. Maintenant, Agimanda, mode environnement, message. Pourquoi mode d'environnement message euh, pourquoi mode environnement message pourquoi, pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi attends attends parce que tout simplement, euh, moi de nature, je fais attention à mes consommations. Mhm. Et donc, euh, quand euh, j'ai créé Mabiba, mhm. la marque de mode, je me suis rendu compte à travers mes recherches, parce que je vous ai dit que mhm. en se tutoie. Ah non, oui, <laughs> Je t'avais dit en fait que je euh, je suis en train de me former. Là, je me documente beaucoup. Tout à fait. Et dans mes documentations, je me suis rendu compte que euh, l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Ah, ah. Oui, oui. Pourquoi Oui, oui, parce que vous voyez, quand on, on prend de la plantation, par exemple le coton. Le coton. Le coton. Habo mm -hmm. Parce que Wadinergo, on produit au, en Afrique. En Afrique, Voilà. Mhm. Pour produire le coton, il faut beaucoup d'eau. Il faut beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Oui, bien sûr. Donc, vous savez Donc, que... Donc, il y a harimo, il y a harasara. Ah, madalla. Euh, pu après la transformation mm. za shannu kulu zanan kai go yayin haini zai ka zanan kan ina ka kallan kan im koi ga bibiri ga bargate koton kallan oh. kan im ga kai et tout ça là mhm. donc de produits colorants kan igdan ara pour euh, pour la coloration les produits chimiques mhm. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas bon aussi pour la nature. D'accord. Donc il faut trouver des voies et et moyens pour. Il faut trouver des voies et des moyens. Et même pas ça aussi, quand on prend la distribution, mhm. pour distribuer, c'est des, avions, mhm. pour distribuer, c'est des véhicules. Mhm. Donc tous ces COD qui sont dégagés dans la nature et tout. Donc, on doit rechercher hein, c'est tout ça que j'ai effectué euh, comme, recherche et tout. Et puis bon, il y a des études, il y a tellement de données, euh, il y a tellement déjà de, euh, de créateurs qui sont investis dans ce domaine qui fait que ça facilite les choses en termes de recherche. On a beaucoup d'informations sur le net, vous pouvez aller voir. toute façon, nos femmes.

sur le plan environnement, quand on parle euh, d'environnement, d'écologie et tout ça, mm. on n'est pas sur, le même, sur les mêmes enjeux en Europe qu'en Afrique. Ah, ça change quoi oui, endroit à un autre. Précisément uh-huh. au Niger, la première des choses qui frappe quand on arrive, c'est tous ces déchets plastiques-là qui prennent de l'ampleur partout dans nos rues. Tokay kak. Voilà. Déchets plastiques au bon orgue salan banda. Récemment, ou bifo dit sur la toile. Bakan da go bore ga go fisora go ga fronte origi ni nergiche. Nino ka niniga kaga expliquer ce concept de zam Nino a dit na fauteuil din publier facebook ka di zam ina borcindo fam borcindo man fam lori c'est le président bien évidemment euh, de, de l'ANASIM, mesdames et messieurs, l'ANASIM euh, Niamey. Et Uri vous le connaissez aussi. Hein? Ok, d'accord, il était au cœur aussi. Oui, il a toujours été au cœur, euh, n'est-ce pas, de la FIMA. FIMA, c'est Festival international de la mode en Afrique. Donc on dit le FIMA alors. Voilà. Le FIMA. FIMA. Le FIMA. Il était au cœur <laughs> du FIMA. Il a toujours été au cœur du FIMA. L'origine. L'original. Ça va bien Bien. La mode, nous, ben, mais quand mode. Tu raisonnes, <laughs> Une elle a dit, explique-moi un peu le contexte, un tout petit peu, mais pourquoi, de quoi s'agit-il véritablement Parce que tu étais le premier à poster et moi j'ai vu, partant de là, ça m'a Partant du poste, a dit, bon, je dois recevoir, et bien évidemment, euh, euh, n'est-ce pas, cet artiste sur l'émission pour que MB, qu'est-ce qui se cache derrière Leda Fissi Sentir Verte Bon, comme elle a eu à l'expliquer. Nous, aucun faut poster, ce qu'une femme dans, quand nous Bien sûr. Ok, origi. Bien sûr. Donc euh, la machine et les humains t'écoutent. Euh, c'est un concept, comme mhm. elle l'a dit, éco-responsable. Donc, mhm. elle est dans l'esprit de la mode éthique. Alors, qui dit mode éthique, elle a eu à l'expliquer, je ne vais pas revenir là-dessus. Mhm. Euh, avant-hier, à la ceinture verte, nous savons, la ceinture verte, aujourd'hui, on a planté les arbres pour lutter contre la désertification aujourd'hui, ce site est devenu un dépotoir à ciel dépotoir. ouvert. À ciel ouvert. Uh-huh. Et pour nous, lutter contre, euh, c'est-à-dire être dans l'esprit euh, de la mode éthique aujourd'hui, uh-huh. c'est, euh, si vous voulez, porter ce message fort. Uh-huh. Lorsqu'un être humain porte des vêtements en sachet, on va dire tout de suite, c'est insupportable parce qu'il fait chaud. Ah bah moi j'ai galéré, j'ai porté ça aussi. Hein. Voilà. Ah, tu j'ai pas 30 minutes. Je... À toi, un moment donné, on hein. Je précise surtout au Niger où il fait très très très chaud. Alors, si l'être humain ne peut pas porter des vêtements en plastique, hmm. pourquoi l'environnement doit supporter nos déchets plastiques hmm sanga daga kano ble fara no matege dime ga lede kigo go gaitu et ce que alors ah. aujourd'hui euh, aujourd'hui il faut prendre 100 ans pour qu'un sachet se dégrade. Et un gars, ce qui veut dire que y a environnement au fond de Et ce qui il y a des répercussions sur notre santé également sur l'environnement. Pourquoi ah. sur notre santé euh, Quand vous prenez les animaux qui errent aujourd'hui à la ceinture, dans la ceinture verte, uh-huh. euh, ces animaux, leur viande se retrouve dans nos assiettes. Ah, et mm. dina fegi foru wala foru leda kangwara abunda me Les leda les Donc ah. nous c'est ce message fort qu'on voulait porter et également appeler les consommateurs à diminuer à réduire leur consommation en termes de sachets. une bonne chose.

Oh. Eh, j'espère aussi que vous avez compris le message. Mabiba, <laughs> nous sommes donc euh, à la fin de cette émission. Pour ceux qui ont compris le concept, et ceux qui n'ont pas, et pour ceux qui n'ont pas encore compris, ils finiront certainement par comprendre, c'est sûr. Mais avant qu'ils ne togo finir par comprendre, Odin, il y a canal où on est utilisé mhm. pour passer un message, un message fort à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, à travers le site du studio Kalango, à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos 6 télévisions partenaires. Mabiba s'exprime. Origigi, nous, tu as un nom. Nous, Covid, tu Covid, tu comme ça voilà. wala ngana uti est star wala ngana il dit nkuna un artiste s'exprime et star mabiba irwanganisi euh, le message que j'ai à lancer c'est juste pour euh, dire à la population qui n'a pas bien compris le concept. Le concept n'a pour but que de sensibiliser uniquement. Euh, nous savons qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Euh, nous avons approché le ministère de l'Environnement et il y a des programmes. On est accompagné par eux. Euh, le concept est encadré. on va travailler en partenariat. nous lançons également un appel aux associations, aux ONG, à toutes ces personnes qui œuvrent dans cette démarche écologique euh, de créer une sorte, une synergie autour de ce concept ou d'autres concepts, en tout cas pour faire euh, changer euh, et, réduire de façon, en tout cas positive, notre impact environnemental. Voilà. na elles irma gisi comme ça irol kerga sécurisé alam fata <laughs> madame gabikor yamubonetse gabikor <laughs> kincimiro ursi ban tali no bake bafuka nengo environnement wono banga wala wala siban kan kasko nim zankango fata ko masi zankam ka zankam boma zankam ne hariga omburo kuma hariya sidar irmo irgo ga koifa